Bonsoir amis jeunes et merci de nous recevoir chez vous pour l'acti des jeunes. Aujourd'hui, samedi 20 janvier 2024, vous êtes en compagnie de Rakia Aremi et Ismaël Ajibo. Rakia, bonsoir, comment ça va Ça va très bien Ismaël et quel est le programme de ce soir D'abord, nous évoquerons la question des écouteurs au volant et au guidon, une pratique imprudente des jeunes de Niamey. Ensuite, direction le Dandy à Gaïa où s'est déroulée une compétition de lutte à l'honneur du sixième sac de Isaka Isaka, le roi des arènes 2023. Et du sport pour clôturer cette édition. Rakia, les jeunes de la coopérative Hadinkai Matassa de Tirozerine ont organisé un jeu dénommé Super Crack. Ils sont à leur deuxième édition. En effet, c'est une manière de renforcer les capacités des élèves, notamment ceux des classes de CM2. À la clé, des cadeaux tels que des fournitures scolaires pour les trois premiers. Mokhtar Amadou, président de la coopérative Hadinka Matassa, organisateur du jeu, explique au micro de Ahmed Felin. C'est une activité qui, d'après notre analyse va aider nos enfants à se concentrer sur leurs études. Il nous revient d'apporter notre contribution. C'est pourquoi cette initiative de Supercrack, tout le monde va s'intéresser. Nous ne bénéficions d'aucun appui et c'est une compétition que nous avons l'habitude d'organiser. Nous sommes à la deuxième édition. Ce sont les membres de l'association qui, cotisent chacun en fonction de ses moyens et ce sont les trois premiers qui sont primés. Nous contactons les différentes écoles pour leur demander de nous envoyer deux élèves, un garçon et une fille, qui vont compétir. concurso Rekia, nous allons à présent à Azorori, situé dans le département de Madawa. Le président des jeunes de cette localité nous relève leurs efforts pour améliorer la situation de la commune. En reportage dans la région de Tawa, notre envoyé spécial Mariam Adé l'a rencontré. La lutte que je compte mener pour aider les jeunes de Azorori, c'est d'apporter de nouvelles choses pour qu'il y ait un changement dans cette commune. Car j'ai évolué dans cette commune, j'ai observé comment les activités des jeunes ont été gérées. Je pense qu'avec ma responsabilité, si je m'investis, il va y avoir un changement au niveau de la jeunesse. Nous ne voulons pas que les jeunes restent à ne rien faire, alors que nous pouvons nous-mêmes créer nos propres activités sans attendre l'assistance de quelqu'un d'autre. Dieu merci, nous avons commencé à voir les signes du changement. De la date de mon élection à aujourd'hui, la mairie et la commune de l'ensemble savent qu'il existe un président de conseil des jeunes ici au niveau de Azrouri. C'est des jeunes. Non, non, la commune qui Ismaël, retourne ici à Niamey. Ils sont nombreux ces jeunes qui portent des écouteurs en circulation. Selon eux, la raison du port de ces écouteurs est toute simple. Ce pour ne pas s'ennuyer en conduisant. Quels sont les dangers que ces jeunes encourent Réponse dans ce reportage signé Amadou Harouna Jibon. Les accidents de circulation routière continuent d'endeuiller la population nigérienne les statistiques sont de plus en plus élevées plus d'une décennie. De nos jours, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes au volant de leur moto ou véhicule avec des écouteurs aux oreilles. Les jeunes que nous avons rencontrés avancent qu'ils utilisent les écouteurs pour rester focus sur la route. Vraiment, j'utilise les écouteurs en conduisant, c'est juste pour ne pas m'amener à réfléchir de trop. Quand je conduis, on klaxonne, il y a un bruit comme ça, je peux me prendre la tête et puis faire un truc qu'il faut. c'est pourquoi je porte ces écouteurs là fonction réducteur du bruit. J'aime mettre les écouteurs sur, sur une moto en conduisant. C'est pour essayer d'évacuer la nuit, surtout si c'est une longue distance en moto ou bien si c'est des courses. Le président de l'ONG Fondaimabori lance un appel à l'endroit des jeunes qui portent les écouteurs en circulation. Ce que nous pouvons dire en tant qu'acteurs, c'est d'interpeller d'abord les autorités à prendre des mesures pour que l'utilisation des écouteurs dans la circulation puisse être formellement interdite. Nous lançons un vibrant appel à l'ensemble de cette jeunesse qui représente l'avenir du Niger de s'abstenir euh, à utiliser les écouteurs en conduisant et de comprendre que aucun accident de la route n'arrive par accident, toujours une cause et la cause humaine le plus souvent représente plus de 80% des accidents. En dépit des risques encourus, le port des écouteurs en conduisant est devenu tellement banal que ça se passe inaperçu. À Gaïa, une journée a été consacrée à Kader Abdou, connu sous le nom de Isaka Isaka, à l'occasion de son deuxième sacre. C'était la semaine dernière. Les festivités ont été marquées par une compétition de lutte traditionnelle au lycée national de Gaïa, contre avec Fadel Alou. C'est sur ces notes de tambour battant que les six lutteurs des communes du département se sont engagés dans des combats acharnés. La finale a opposé Hamidou Yakouba de Tanda à Chebou Ismail de Gaïa. Après une opposition intense qui a duré 10 minutes, Chebou Ismail réussit à mettre à terre son adversaire, ce qui a déclenché une effervescence parmi les spectateurs. Ah, C'est un bon lutteur, il a une belle technique. Je ne m'attendais pas à le terrasser. Dieu a fait que le moment venu, j'ai pu le mettre à terre. Je suis content de ce combat. Hamidou Yakuba, le perdant de la finale, se réjouit quand même de l'organisation de cette compétition. C'est pour s'amuser que nous sommes ici. La lutte, parfois, on est vainqueur ou vaincu. Aujourd'hui, la chance est du côté de mon adversaire. Je m'entraîne chaque jour mais je n'ai pas eu le temps de préparer ce combat. Rendre hommage à Isaka Isaka va au-delà de cette activité sportive. Elle réunit également les jeunes de Gaïa pour renforcer les liens de solidarité. C'est un cadre d'échange et de lien de solidarité qui va dans euh, la cohésion sociale, cadre de brassage socio-culturel entre euh, les fils et les filles du département. C'est une activité qui rentre vraiment dans le cadre du maintien de la solidarité au sein de la jeunesse. Une animation du célèbre artiste nigérien Maliaro a aussi enrichi la journée. À présent, la page sport est euh, avec Adam Sariou. À Agadez, la Ligue régionale a procédé au tirage au sort des équipes qui représenteront la région en Coupe nationale. Au total, sept équipes de la Ligue régionale seront en liste dans cette compétition qui a débuté aujourd'hui au stade régional d'Agadez. À l'issue de ces matchs, deux équipes vont représenter la région pour la Coupe nationale le 12 février prochain. La Cannes se poursuit en Côte d'Ivoire et le pays organisateur a perdu son deuxième match face au Nigeria 2 buts à 0. Merci d'avoir été de notre ami jeune. C'est la fin de notre actu de jeunes d'aujourd'hui. À demain pour d'autres informations.